Transport voyageur, une nouvelle façon de voyager. Vous êtes sur le miroir de la femme, mesdames et messieurs. Bonsoir et ravi de vous retrouver sur cette grande édition d'information de 20h15 du 10 septembre 2021. Nous ouvrons cette édition avec la rentrée scolaire au Niger prévue pour le 4 octobre 2021. L'ambiance des préparatifs devient de plus en plus intense dans toute la ville de Niamey pour la rentrée scolaire 2021-2022. D'autres détails dans ce reportage signé Mamadou Soufou sur les images de Raouf Il nous reste quelques jours. Ce 4 octobre sera la rentrée scolaire 2021-2022 au Niger. À quelques jours de la date retenue pour cette rentrée, la communauté éducative du pays est au four et en même temps au moulin pour un début effectif de cours. Préparatifs bien que timides s'intensifient dans toute la ville. L'ambiance dans les marchés, les établissements scolaires et les librairies laisse d'ailleurs déjà planer l'imminence du retour des élèves sur les bancs. Les coins de rue laissent voir des étals bandés, des fournitures scolaires et autres matériels didactiques. Dans les librairies, les tenanciers s'activent afin de satisfaire parents et élèves en quête des cahiers et des livres au programme de cette année scolaire. Dans les écoles, lycées et collèges, c'est pour certains l'heure des inscriptions ou encore des renseignements. Bien qu'ayant été reportée, elle s'annonce à grands pas. Parents, élèves et étudiants s'apprêtent à l'accueillir à bras ouverts, car c'est déjà et presque la fin des grandes vacances. Ce dernier temps, on constate une rareté de pluie dans plusieurs localités du pays. Cette rareté a-t-elle des conséquences sur les récoltes qui, dans certains endroits, ne sont pas encore au point Peut-elle impacter aussi l'environnement Sani Ayouba, directeur de, de Jeunes volontaires pour l'environnement, nous explique. De la même manière, peut-être qu'ici à Niamey ou dans la bande sud ou dans la bande euh, ouest du pays, on, observe une rareté des pluies. De l'autre côté aussi, dans d'autres euh, euh, contrées du Niger, il y a une pluie en abondance. Récemment, on a vu de la même manière qu'il fait très chaud à Niamey, il est en train de pleuvoir abondamment à Zender toute une matinée par exemple. Et moi, je viens récemment de Maradi où on voit, on constate également même l'évolution des cultures pluviales. Dans, on remarque euh, sur toute la bande. Euh, quand tu traverses vers Dosso, tu vois où euh, la taille des milles est à un niveau acceptable. Tu continues dans d'autres, tu vois même les épis, l'apparition des épis des, milles et des maïs. Tu continues ailleurs, tu vois qu'il n'y a rien aussi. Donc ça, c'est vraiment compte tenu de notre contexte aérien qui fait en sorte que les pluies ont été toujours mal réparties dans les temps et dans l'espace. Mais aujourd'hui, les conséquences, c'est que le problème est que du fait de, des changements climatiques, parce que quand on parle d'urgence climatique, c'est exactement, nous sommes dans l'urgence. C'est ce qui nous fait croire ou bien qu'il nous faut accepter cela, que euh, ces phénomènes s'accentuent d'année en année et deviennent de plus en plus récurrents. Donc voilà pourquoi euh, il est important qu'on tienne compte de cette dimension dans l'ensemble des préoccupations ou des planifications stratégiques, que ce soit au niveau local, au niveau national et non au niveau internationale international. Parce que sans pluviométrie, nous savons très bien que notre économie étant basée sur l'agriculture et cette agriculture est majoritairement pluviale. Donc s'il n'y a pas de pluie, il y aura des conséquences en termes d'insécurité alimentaire, il y aura une insuffisance par rapport à la production. Donc euh, nous serons obligés d'étendre davantage la main ailleurs. Nous, <coughs> nous serons obligés également de mettre en, place des mécanismes d'urgence, des plans de contingence pour aider les gens contre la famine, contre la sécheresse. Voilà un peu les conséquences qu'il peut y avoir sur l'environnement parce que quand il ne pleut pas, il y aura la sécheresse. Du moment où déjà les paysans, en tout cas les agriculteurs, ont semé un peu partout sur l'étendue du territoire national, s'il ne pleut pas, c'est la catastrophe. Mais qu'est-ce qu'on peut faire euh, c'est clair que nous continuons de prier en tant que des bons croyants, mais également euh, les autorités doivent pousser pour que des mesures urgentes soient prises pour la, les questions d'adaptation et de renforcement de la résilience des communautés, mais également au niveau international pour qu'il y ait plus de ressources ou bien plus d'engagement pour atténuer l'émission des gaz à effet de serre qui est responsable euh, du changement climatique global qui Justement, la Direction nationale de la météorologie du Niger nous explique cette situation de rareté de pluie à laquelle on fait face ces derniers temps, causant aussi un changement climatique. À quoi est dû cela La saison pluvieuse est-elle à sa fin Bao Ousmane, ingénieur de la météorologie, nous explique dans ce extrait. Il y avait une pause pluviométrique euh, au cours de la dernier des 4 du mois d'août et également la première semaine du mois de septembre. Euh, mais il est important de le rappeler qu'à partir du 4 septembre, les activités privées orageuses ont quand même repris euh, sur la majeure partie du pays. Si on prend par exemple sur les régions de, de Difa, euh, Zander, Maradi, les activités ont vraiment, ont vraiment repris sur le pays. Mais par contre, sur, euh, les, sur les régions ouest du pays, par exemple, on prend un peu Tilabiri, de Tsunami, il y a toujours cette euh, là qui persiste. Mais il est important également de, mentionner euh, que les activités privées orageuses, quand même, euh, ont repris véritablement sur le pays. Euh, quand je dis véritablement, nous avons des systèmes pluvieux orageux quand même très organisés qui ont commencé à être observés. Voilà, ça, c'est la, situation du 6. voyez très bien. Nous avons, c'est vraiment rare pour un mois de septembre parce que nous sommes en train de euh, c'est presque, euh, nous sommes en fin de saison, parce que c'est le mois de septembre avant tout. Et donc, vous voyez très bien que nous pouvons, à, la date euh, du, 8 septembre, avoir ces systèmes pluvieux orageux qui quittent l'Est pour balayer toute la bande agricole du Niger. Pour moi, c'est un fait qui est là, mais il est aussi à préciser que la saison tire à sa fin, mais nous ne sommes pas vraiment à la fin de la saison. Euh, parce qu'avec euh, la dynamique météorologique que nous avons, avec les conditions météorologiques qui persistent sur le pays, avec euh, un front intertropical, parce que nous avons quand même assez d'humidité, et que le front intertropical se trouve sur la partie nord du Niger. Il n'a pas jusqu'à présent amorcé sa descente vers, vers, le sud. Nous pouvons toujours avoir cet espoir, n'est-ce pas, d'avoir des activités pluvieuses orageuses. Mais il est aussi à préciser euh, que par rapport à la situation spécifique du région du fleuve, quand je parle de région du fleuve, je fais cas de la région de Namé, la région de Dosseux et également celle de Tilabéry. On peut, le, peut le, remarquer par rapport à l'année passée. Vous voyez, il y a plus de rouge ici. Pourquoi Parce que euh, les quantités de pluie enregistrées cette année, n'est-ce sont en deçà de celles enregistrées en 2020. Mais par contre, sur la partie est et centre, euh, les, euh, quand même les quantités sont normales à tendance excédentaire. On peut aussi voir par rapport euh, à la moyenne des 30 dernières années, vous voyez ici sur DIFA, sur, sur le Damagalam, vraiment la situation elle est quand même excédentaire à, à normale, sauf sur l'extrême sud de la région des Andes, également sur l'extrême sud de Maladie, nous avons quelques poches de déficit. Et ça, c'est dû vraiment à la nature de la pluviométrie euh, qui n'est pas bien répartie dans le temps et également dans l'espace. Mais vous voyez très bien, sur la partie ouest du Niger, vraiment la situation n'est pas du tout euh, euh, confortable par rapport à la moyenne faite sur les 30 dernières années. Nous pouvons aussi voir des cas, par exemple, ça c'est la station de Niamey. Vous voyez très bien que, comment dirais-je, la coupe noire euh, symbolise un peu la moyenne qu'on devrait avoir. on voit très bien que jusqu'à la date du 31 août, Niamey elle est à 200 en termes de cumul climatique enregistré. Ce qui veut dire que la situation n'est pas du tout très confortable sur euh, la région de Niamey, également sur euh, plusieurs localités des régions de Dessous et également de, de Tilabiri. Mais si on voit par exemple la partie est du, Niger, on voit par exemple ici Mené, Mené, on voit très bien que cette courbe-là, qui, qui, symbolise euh, l'évolution de, des quantités de pluie enregistrées en 2021 va aller au-dessus de la, de la normale. Vous venez de suivre l'explication de l'ingénieur météorologue Bao Ousmane sur la situation de rareté de pluie dans certaines localités du pays. Le 26 août dernier, à l'instar de la communauté internationale, le Niger a célébré la journée internationale de la langue Hausa. Cet après-midi, l'association Gizou a remis une doléance sur cette question au sultan de Damagaram, Aboubakar Omar Sanda. Dans une intervention, le sultan est revenu sur l'importance de cette journée. Il est au micro de Alouma Massani sur les images de Ibrahim Kantama. C'est une journée euh, qui nous tiennent beaucoup à cœur. Euh, quand on regarde vraiment, euh, je me rappelle, euh, il y a beaucoup quand même des enseignants que je connais et qui ne sont plus maintenant. Alors donc ils ont fait quand même leur temps. On a vu en tout cas des, des, élèves qui ont quand même appris à parler correctement en tout cas le Hausa et correctement le français. Ils comprennent mieux en tout cas euh, la langue française que ceux qui n'ont pas, en tout cas, euh, allé à l'école euh, Hausa. C'est différent. Vraiment, ce que je vois, c'est surtout de continuer à enseigner toujours la langue Hausa. puisque dans la langue Hausa, il y a beaucoup de choses en tout cas d'intéressants qui peuvent en tout cas aider les élèves qui cherche à apprendre en tout cas à parler le français. Donc c'est de voir en tout cas, essayer de mettre dans le programme de chaque État, euh, si vous prenez donc euh, le Nigeria et le Niger, euh, qu'on mette ça dans le, dans le programme de, l'enseignement. Là, ça peut quand même aider en tout cas les élèves à mieux comprendre en tout cas euh, l'explication et la signification en tout cas des mots. C'est intéressant. Il faut quand même euh, que l'État nigérien en tout cas comprenne euh, et continue à exploiter en tout cas cette école. Il faut que tout, tout un chacun en tout cas contribue à ce que en tout cas cette école soit en tout cas réhabilitée et Inch'Allah, euh, avec ça, en tout cas, euh, nos élèves euh, comprendront mieux, en tout cas, les explications. dans chaque pays, il y a des Hausa. Les pays que vous avez cités, il y a des Hausa. Alors donc, quand on regarde en tout cas le nombre de Hausa à travers le monde, c'est important on ne doit pas quand même négliger cette langue. Il faut que tout le monde accepte de voir comment en tout cas euh, apporter, en tout cas euh, oui et euh, apporter donc sa contribution pour que cette langue soit en tout cas l'image de cette langue soit rehaussée sur le plan mondial alors donc ça nous permettra vraiment de